lançons un appel, nous envoyons un message très fort envers l'autorité guinéenne, les dirigeants guinéens, le président de la République de Guinée. Nous l'appelons à respecter la Constitution. On n'est pas d'accord pour le changement de la Constitution. Et nous voulons la paix sociale en Guinée. Nous voulons la justice. Sans justice, il n'y aura pas de paix. Et nous sommes contre la barbarie. Nous, voulons qu'on libère nos compatriotes et nos camarades de combat qui sont enfermés en Guinée. Je répète une fois encore à l'opinion nationale et internationale, de toutes les organisations de droits de l'homme du monde, que Alpha n'a pas droit de tenter de changer cette constitution. Parce que c'est sur cette constitution qu'il a pressé serment pour qu'il soit président de la République en 2010. En 2010, il n'a pas demandé le changement de cette constitution. En 2015, il est élu. Il a prêté serment sur la même constitution, il n'a pas contesté la constitution. Comment est-ce qu'il peut attendre jusqu'à la fin de son mandat Il voit quelque chose dans cette constitution. Il n'a pas le droit, il n'est pas démocrate. Il n'y aura pas un troisième mandat en Guinée. On n'a pas besoin. Euh, le FDC, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour aider la Guinée à ce qu'Alpha quitte le pouvoir. Il n'a qu'à quitter le pouvoir et partir. Il a fait deux mandats. Deux mandats ne peut pas, qui n'a pas de résumé, parce qu'il n'a rien fait dans le pays. Les gosses, les jeunes, les femmes sont fatigués, ils sont violés un peu partout. Vraiment, nous demandons à ce qu'il quitte. Il ne peut plus partir avec la grande porte. maintenant, s'il veut partir, il n'a qu'à partir par la porte du milieu au lieu de la petite porte. C'est toute l'Afrique qui est en train de nous accompagner, accompagner le peuple guinéen à ce combat. Et c'est toute l'Afrique réunie. Et je suis fier de tous ceux qui sont là aujourd'hui. Je suis fier des femmes guinéennes, des femmes du FNDC en Guinée et je suis fier de l'Union africaine, je suis fier de la solidarité africaine et vive le panafricanisme. Que toute l'Afrique prenne conscience de ce qu'ils font. Quand un majeur, quelqu'un qui, qui est en train d'incarner la magistrature d'un pays, tu fais une fois, tu fais deux fois, tu n'as pas vu du mal, tu reviens dire que ça c'est pas bon. Nous interdisons nous demandons à ce que toute l'Afrique interdise le troisième mandat en Afrique. Nous demandons au président africain d'obéir aux constitutions sur lesquelles il jure et il prête serment à leur élection. Il n'est rien pour nous. C'est quelqu'un qui ne mérite rien. Il ne regarde pas devant, il ne regarde pas derrière. Il nous bat, il bat nos enfants, il tue les femmes, il tue les enfants. C'est quelqu'un qui n'est pas bien pour la Guinée. On demande son départ pur et simple. Parce que Alpha Condé, c'est un homme aveugle. donc comme jisul tinul yegul dañu bëgg mu jël bagage mu dem yoonam bala ñu koy fekke foofu ñu defantax moom